siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo tuuti waay kanamam tey voilà c'est bon gars yi baax na voilà monsieur euh, yëg-yëg bi nga am gannaaw ba nga ñëwee euh, maanaam euh, mais yëg-yëg ba nga xam ni mooy bi jullit di yëg rek ndaxte lu mel nii bu dalee ci ay ndaw euh, naqar métit ak tiis kese la ñuy wax ni ñuy def rek li yàlla santaane ci li saayu yu xewee mooy delloo sunu bopp ci yàlla euh, te xam ni yàlla am na ko ko wax sànq nee na du buur mais mooy borom te borom bu soxlaa jël na te jël na dañuy wéy rek di dolli sant sunu borom tey ñaan sunu ñetti jarbaat yi yàlla teru leen ak njëgal ak yërmande yàlla xare leen aljana di ko jaale seeni wéyjur di ko jaale presse bi te di leen gërëm it ci taxawaay bi parce que ci ni ngeen di liggéeyee lii xew na mais yéen a ngi wéyal liggéey bi def ko tey ci anam yoo xam ni euh, wan ngeen ni seen dëj la mais jàpp leen ni yéen ak Sénégal yëpp ko bokk te bi mu xewee it euh, li nga xam ni mooy cëru état parce que ñun ñu ngi woon ci zone bi euh, président de la république def na li nga xam ne moom lañ doon xaar ci moom mais li ci ëpp solo jàpp naa ni mooy tegtal yi mu joxe pour que assistance bi war a am ci ñi nga xam ne dañu am ay gaañu gaañu bu ci dara manqué te mu suivral ko boppam nag minute par minute beneen bi ci topp mu ñëw ci yoonam mu taxaw fi mbir mi xewe massawu xool daal di joxe direction ak décision ne ña nekk Kédougou nañu jël matuwaay yi pour ñu wàcce ay kaamil kooku ñu ci gërëm imaam yi nekk Kédougou parce que ci bi ñu jotee ndigal li rek dajale nañu xale yi nekk ci daara yi ñu jàng alxuraan bu sell te bi ñu koy tëj dañu ñëw fekk président egsi ñu tëj ko mu ñaanit it mbokki Kédougou comme fa la jëmoon te ñun ñëpp fa la ñu jëmoon waaye du yàlla dogal na xale yi yegguñu ña ko doon xaar mu ne leen dinaa yegg si waane maa ngi leen di ñaan lépp luy xumbute lépp luy folklore ngeen teg ko ci suuf te mbir mi noonu la demee tey nag waaw monsieur le ministre defe loolu am Euh, contrôle bi des routes naa loolu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo xam nga xam nga dafa am ñaar euh, bëgguma dugg ci ci loolu parce que loolu ay wax la yoo xam ne du dajale parce que ku nekk da ci am gis-gis oui oui mais je reviendrai li nga xam ni mooy mbiru tali dangay jàpp ñaar rek pour xool lañu ñu doxi woon Modern, ubi ay hôpital moy ay dañu fay dimbali nit ñu gëna a ci dund ñoñu dem di lu mel nonu sen bakken des fa la yob won ay tali yo défar leen ba baax du deug liñu wara wax kay réflexion bu baax bo yenn xew-xew au lieu tali bi ñu mutualiser moyens pour jéem indi encore ay points de renforcement de la sécurité c'est ce que parce que tali mën naa baax mais mën pas tali mën naa bon mais mën ne sooy pas li tali bu en français monsieur le ministre un résumé en français. Bah, écoutez, la première question qui m'a été posée a été relative à mon ressentiment par rapport à cet événement tragique et douloureux. Euh, comme il est normal de le comprendre, en de telles circonstances, on ne peut être qu'attristé est très ému euh, puisque c'est une perte douloureuse et tragique. Euh, trois jeunes qui étaient à la fleur de l'âge, engagés professionnellement et qui avaient un avenir déjà tracé, euh, ont vu leur vie s'arrêter sur les routes de Kédougou. C'est tragique, c'est l'opportunité pour moi et l'occasion de, présenter, au-delà de la compassion et au-delà de la solidarité, nos condoléances au nom du chef de l'État à l'ensemble des familles des victimes à la rédaction de l'ERAL, à travers son administrateur, M. Damdien, et à l'ensemble de la presse, et particulièrement vous les jeunes reporters, dont je voudrais saluer cette posture de solidarité avec vos armes, avec vos moyens et votre ressentiment. Vous avez continué, tout en faisant votre travail, à honorer vos collègues disparus. Euh, ce qu'il faut surtout saluer, c'est la posture de l'État, qui est toujours dans cette rationalité, de traiter avec empathie et solidarité euh, des cas comme ça lorsque des citoyens perdent la vie de façon aussi tragique. C'est à cet effet-là que le président de la République s'est arrêté sur les lieux de l'accident quand il a pris son départ, puisqu'au moment de l'accident, son convoi était encore à, à, Tambacounda. Il a donné les instructions pour que toutes les dispositions soient prises pour porter assistance aux personnes qui étaient blessées et donc évacuées dans les hôpitaux de Dakar via un avion militaire. Mais il a surtout demandé aux imams de Kédougou de faire des séances de récital de Coran euh, à la mémoire donc, des trois disparus et solliciter qu'Allah les accueille en son paradis. Mais surtout, il a demandé aux populations de Kédougou euh, d'accepter de, de poursuivre les inaugurations qui étaient à l'ordre du jour et à l'agenda sans excès, sans folklore et sans bruit. C'est en toute sobriété euh, que les hôpitaux ont été inaugurés. C'est en toute sobriété que les autres infrastructures qui donnaient des accès aux services universels, aux services sociaux de base plutôt, ont été inaugurées. Donc il est vrai que certains visent comme problème central les questions de sécurité. C'est vrai que nous avons été inaugurés des routes qui étaient de très grande qualité. Euh, et nous avons inauguré des hôpitaux qui sont supposés être des lieux de rémission mais pas l'opportunité ou l'occasion quand même de perdre la vie. Euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est le signe du destin. Euh, merci beaucoup. Présent, euh, présent. Ils sont décédés dans des circonstances tragiques, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ils étaient au service de la République, ils sont tombés sur le champ d'honneur. Est-ce que cette République-là va euh, les décorer à titre posthume Mais vous me posez une question qui est l'attribution exclusive du chef de l'État. Ce que la nation a fait au nom du chef de l'État, c'était leur apporter la solidarité, puisque c'est la question de l'heure. Pour celle de demain que vous posez, il appartient en toute discrétion au chef de l'État, dont on connaît la magnanimité et dont on connaît sa propension à consolider tout ce qui fédère et consolide la nation sénégalaise, certainement il y aura une réponse favorable et positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on prévoit, c'est-à-dire C'est-à-dire comme par exemple, euh, parler de la sécurité des journalistes qui peut-être partent avec les politiciens dans les convois euh. c'est sûr que tous les, tous les responsables de, rédaction qui envoient des reporters euh, dans des tournées de ce, genre prennent des, dispositions. Mhm. Euh, maintenant, face au décret divin, l'être humain est impuissant. le mal est déjà fait. Moi, je préconise qu'au niveau de la presse, qu'on organise une journée d'hommage nationale ce sont trois vies, euh, trois jeunes vies qui ont été arrachées. Par exemple, au niveau des télévisions, qu'on puisse euh, pendant 30 minutes euh, faire un écran noir avec les seules photos des reporters disparus qu'il y ait au niveau de la presse écrite des, des bandeaux noirs pour leur rendre hommage et puis marquer cette journée, cette triste journée du 31 mai. Il y a un débat en cours au niveau des instances du CEDEPS et en collaboration avec les autres instances au niveau des, médias. On va poursuivre la, réflexion, euh, poursuivre la réflexion, mais également euh, renforcer le, dispositif de déploiement euh, des équipes euh, dans ce, dans ce genre euh, d'activité. Et j'espère aussi qu'au niveau euh, du Palais de la République également, en vue des prochaines tournées du président de la République, toutes les dispositions idoines seront prises pour protéger les journalistes et leur euh, permettre de faire correctement leur travail. Euh, je participe euh, souvent à ces types de tournées à titre personnel. J'en connais toutes les, toutes les difficultés. ce sont des jeunes, de braves jeunes qui, suivent ces, qui suivent ces cortèges, qui suivent ces tournées et qui ont le seul souci d'informer les Sénégalais. Et je pense qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs euh, de manière euh, professionnelle et en toute sécurité. Liste. Euh, aujourd'hui, on peut dire que c'est une tristesse. On est rentré très tard de Kédougou, mais ne pouvait pas ne pas être là auprès de la famille parce que c'est douloureux. Ils sont jeunes, ils sont partis trop tôt, ils sont partis les armes à la main. Donc, euh, comme on le dit, nous prions pour aujourd'hui le repos euh, de leur âme et euh, restons auprès de la famille aujourd'hui pour partager cette tristesse, ces moments de douleur. C'est aujourd'hui l'objet de notre déplacement au niveau de cette levée du corps. Je m'appelle Ngonengom, donc je suis responsable de la communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mhm. Non, je vous l'avais dit, ils sont tombés dans le champ de bataille. Donc, euh, nous les avons vus très actifs au niveau ah, de Kafrine, à l'hôpital Tierno Indao. Nous avons fait ensemble la visite guidée de l'hôpital, euh, surtout à bout, donc en statiné et tout. Donc, euh, ce sont des jeunes très professionnels qui sont partis trop tôt, une grande perte aujourd'hui pour la profession mais c'est la volonté divine, donc nous retournerons tous auprès du Tout-Puissant. Euh, des moments de douleur que nous partageons aujourd'hui avec toute la presse, avec euh, la famille et au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdullah Diaf Dussard, au nom de l'ensemble euh, du personnel du ministère, donc nous présentons nos condoléances les plus sincères, je l'ai dit, nous inclinons devant leur mémoire et prions à la Subhanahu le Tout-Puissant, pour qu'il les accueille dans son paradis. Merci beaucoup. Madame, Madame. Siw darah jàmmi